salaamaaleykum waa Mbour salaamaaleykum waa Sénégal bu ngeen gisee tey ñun waa Mbour justice ñëw taxaw fii dara pour wone suñu mécontentement ci nu justice bi doxee. gis nañ ne ñu nag la maire Fallou Sylla dañu amoon benn problème ça fait presque moo ngi dugg ci deux ans. parce que dañoo woote woon benn point de presse parce que Fallou Sylla ñu ko condamné. depuis le 3 ba le passé ba tey gis nañ ne justice deful dara moo taxoon tey gis na la trois jotaat na ñu ñëw pour taxawaat pour wax ne kat ñun lan la justice di xaar ba ñu condamné Fallou Sylla ba léegi gis nañ ne amul benn jéego bu ci am. loolu rek moom moo ñu ànd woon pour ñu def suñu point de presse bi gis nañ ne bu loolu amee takk der yi ñëw nañ nañu da ngeen fiy jógee d'accord ñu dispersé wu ne ko est-ce kenn mun naa wax mais mbay ñu loolu ci kaw loolu lañ jàpp suñu juróomi membre andi ko fii ci commissariat xamuñu lu tax sànniwuñu xeer te taaluñu pono defuñu dara point de presse rek def parce que yoon may nañ ñu taxaw wax suñu xalaat si dëkk bi di ñaan nag Macky Sall moom mi nga xam ne moom mooy président wu dëkk bi mu jóg wax ci lii parce que kat bu fekkente ne nii la nar a continuer ñun duñu bàyyi parce que amuñu fenn fu ñu jaar pour régler loolu parce que tabax bi moo ngi continuer di dem te li nga xam ne moom la justice bi daanoon ba léegi dara amu ci waaw d'accord même bu defee record tamit normalement dañoo a arrêter travaux yi bu demee ba pare ñu ne ko kat yow kat nekkoo ci yoon buñ ko daané ba paré comme dafa wara arrêté bañu rek lolu paré pare mu war continuer ñun lolu la ñaan pour que ñu arrêté travaux yi ñu jéma a nekk ci leen ñun du tej maire mo ñu taxa jog jóg de mais arrêté travaux yi delloo ñu suñu place publique lolu rek lañuy ñaan fu mu toll ni waaw d'accord accord ñoo ngi si mais ñun bo xolé amul rassemblement point de presse ñu woté bo xamné ne quelques personnes lañu wax pour que ñu ñëw assister ko ñu wax suñu xalaat ñu dem amul rassemblement amul dara bañ ne bo dugg ñu salle dugg ñu dara plein air lañ taxaw pour ñu wax après ñu dem suñu yoon yaakaar naa loolu rassemblement amu ci bon li ñuy wax moy kan ñun ñaanuñ ndimbal ñaan dara parce que defu ñu dara dañu bëgg ñu bayilé immédiatement loolu lañu ñaan fu loolu la wax fu mu toll ni quoi ñaanu ñuko parce que suñuy droit la defu ñu dara lo xamne war nañ leen moy a fi fii ñoo ngi xaar nak fi ci kanam bu fekk amul ben réaction nak lepp luñu gis ñu xamne kat ñom ñoo pousser jeunes ci loolu mais ñun bëgg ñu dem ak ñom ci loolu ci amicalement lañ bëgg dem ak ñom waxtaan ak ak ak ala ci kaw table ba lepp sorti mais leen taxu ñoo jóg vraiment voilà donc euh, bon si on est là aujourd'hui euh c'est euh, à, cause de ce qui s'est passé ce matin. Nous nous étions donc réunis ce matin donc au niveau donc de la place publique. Bon, C'était pour faire comprendre à la population sénégalaise que comment la justice marche. Hein. vous, savez très bien que euh, depuis donc, le 3 février 2020, euh, on avait condamné donc, le maire Fallou Silla, donc deux ans de prison, dont trois mois fermes et 2, euh, millions d'amendes à payer et euh, un arrêt donc, des travaux. Euh, nous, nous en sommes aujourd'hui en 2021. Alors, jusqu'à présent, le maire va librement à ses préoccupations. Il n'a pas été inquiété par la justice. Et ce qui de plus, c'est que les travaux également continuent sur la place publique. Donc c'est ce que nous considérons que c'est une injustice. Nous, nous croyons que, ce comme le disent, hein, l'île ne doit être au-dessus de la loi. Et que je crois qu'ici, à Hambourg, on ne parle pas de ce langage-là parce que depuis que le maire a été condamné, il n'a jamais été inquiété. Et ça, c'est un problème. Ce matin, nos amis étaient partis donc au niveau... Euh, euh, nous étions partis là-bas euh, pour faire qu'on constater les choses. On n'avait pas tenu un rassemblement. Ce n'était pas un rassemblement. On était passé là-bas pour montrer aux journalistes que rien n'a été euh, fait de ce qui avait été, euh, comme adresse, du verdict qui avait, euh, que la justice avait, pris. Maintenant, on s'est réunis au niveau donc de la mairie. Bon, ce n'était pas un rassemblement, c'était pour faire un point de presse, pour faire l'évaluation donc des choses. Alors la, police est venue et il a arrêté donc nos, nos camarades. Ils sont au nombre de six. Voilà. Donc, euh, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il euh, il faut que ça arrête. Mais je crois que même s'il a fait appel, euh, l'appel est d'accord, c'est suspensif, mais on doit arrêter les travaux, puisque la justice nous a donné raison. Donc ça doit pousser donc les gens à arrêter donc les travaux, nécessairement. Ce que nous comptons, d'abord ce que nous, notre combat, c'est que, que nos camarades qui ont été convoqués donc par la justice qu'on les laisse parce qu'ils n'ont fait aucune chose de grave. Tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que défendre vraiment euh, l'intérêt de tous les Mbourois. Nous n'avons pas tenu un rassemblement, donc il n'y a pas de raison de nous tenir, de, nous convoquer donc, à, la, police. Et je crois que également, après cela, nous allons voir quelle suite donner donc, euh, parce que nous ne nous laisserons pas. Nous ne laisserons pas parce que nous euh, considérons que c'est un combat de liberté et c'est un combat de justice et que nous serons toujours sur le, euh, sur le terrain jusqu'à ce que vraiment la justice soit, soit faite. Voilà.